Fidèles auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 24 septembre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse sur les faits saillants au Niger ayant marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la place. Au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, nous parlerons de la 56e édition de la cure salée tenue du 17 au 19 septembre 2021 à Ingle, région d'Agadez. Ce grand rassemblement des pasteurs du Niger est réputé comme l'événement le plus emblématique de toutes les activités du secteur de l'élevage de par l'importance de la mobilisation qu'il suscite, mais également du cadre d'échange entre partenaires. Cette édition 2021 a vu la participation du chef de l'État Bazoum Mohamed. Sur le plan sécuritaire, nous discuterons de la mort du chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, Adnan Abu Walid. L'information est donnée par le président français Emmanuel Macron dans un tweet en date du 15 septembre dernier. Enfin, nous terminerons avec euh, l'insécurité qui sévit euh, depuis quelque temps dans la ville de Niamey, notamment au niveau du secteur euh, du transport urbain, notamment dans les taxis. Les autorités municipales et les responsables des syndicats des transports urbains se sont réunis pour trouver des solutions face à cette situation. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir, Monsieur Gare. Oui, bonsoir, Fatih. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir, Maimouna. Bonsoir, Fatih. Et Arimi Abachari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir, Monsieur Arimi. Bonsoir. À la modération, je suis Fatih Zakari. Une fois de plus, bienvenue à, si vous venez de nous rejoindre dans ce forum de la presse du studio Kalangu que nous débutons avec la 56e édition de la cure salée ouverte ce vendredi dernier à Ingal, la région d'Agadez. Un événement important pour les éleveurs. C'est une occasion de satisfaire les besoins des animaux et aussi de célébrer la grande fête annuelle de la cure salée. La cérémonie de lancement des activités a été rehaussée par la présence du chef de l'État, président de la République Bazoum Mohamed. Je commence avec euh, M. Garé. Quels sont les objectifs visés à travers l'organisation de la Cursali? particulièrement cette 56e euh, édition, elle avait vraiment euh, un objectif, euh, en tout cas assez spécifique, parce que en dehors du, rituel, bien sûr, qui consiste à faire en sorte que les pâturages puissent venir s'approvisionner en sel, etc., etc., cette édition avait une particularité en ce sens que depuis quelques semaines, on, on parle de problèmes entre des communautés, mhm. n'est-ce pas, au niveau du pays. Donc, justement, on avait fait un débat là-dessus l'autre, il y a quelques semaines de cela, mhm. et ça tombait à pic parce que la haute autorité à la, à la consolidation de la paix avait organisé une sorte de conférence par rapport justement à la coexistence entre les communautés. Mm. Et cette édition a été quand même particulière parce que je crois que c'est la première fois qu'un président de la République participe à une, mm-hmm. à une cure salée. Mm-hmm. Et, le, président a certainement voulu témoigner mm-hmm. de l'importance qu'il accorde au secteur agricole et au secteur de l'élevage et surtout de euh, la vie en symbiose entre les communautés, entre agriculteurs et éleveurs. Parce que ce sont des conflits qui deviennent de plus en plus récurrents. Donc c'était vraiment une occasion en tout cas euh, de réunir réunir euh, des chefs traditionnels de la région, de réunir en tout cas des sommités, des personnalités importantes afin de discuter de ces problèmes-là qui commencent en tout cas à prendre de l'ampleur. Et je crois que les explications qui ont été données euh, au niveau de, ce, de, cette conférence-là ont permis quand même de donner un cachet particulier mhm. à cette 56e édition-là. Les images qui nous sont parvenues parce qu'on avait un correspondant là-bas, en tout cas témoignent de la beauté de cette fête-là. C'était vraiment non seulement le côté discussion, échange, mais il y a le côté culturel, les expositions, mhm. les défilés. la cure salée a permis de mettre en exergue les potentialités culturelles, la beauté de la culture du nord du Niger. Mais Mungado, vous pouvez ajouter euh, par rapport donc aux objectifs euh, de la cure salée. Je veux juste ajouter mhm. Pas grand-chose parce que déjà mon confrère a tout dit sur les objectifs donc de la cure salée. Euh, c'est vraiment un brassage, hein, un brassage d'ethnie. Donc euh, c'est également une façon de dire à, ces, à toutes ces populations <laughs> la cohésion sociale est là, euh, travaillons ensemble, mangeons ensemble, faisons-nous plaisir mm-hmm. ensemble. Donc combattant ensemble l'ennemi. C'est vraiment un brassage culturel, euh, il ne faut pas l'oublier. Et nous venons tous, en tant qu'agriculteurs ou éleveurs, mhm. euh, nous avons des parents qui nous sont chers. Et aujourd'hui, rien que à voir cette beauté, la beauté euh, en tout cas naturelle donc, euh, de ce brassage, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Mhm. Et pourquoi peut-être ne pas diversifier ça aller dans certains secteurs également pour également essayer de promouvoir la culture de cette manière parce que c'est la seule culture que je vois où les gens s'intéressent beaucoup c'est vraiment la cure salée. C'est vraiment la cure salée qui réunit tout le monde. <laughs> Ça réunit tout le monde des huit coins du Niger. Tout le monde est curieux, tout le monde veut voir, tout le monde veut euh, satisfaire sa, curiosité, mhm. tout le monde veut voir parce que c'est, en fait, c'est vraiment un symbole, mhm. c'est une identité culturelle propre au Niger. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver. Mhm. Il y a aussi, c'est des célébrations de mariage qui se font là-bas. Mhm. Donc, ça veut dire que entre Bororo et entre Touareg, la cohésion sociale est là. Ça veut dire que tout simplement, ça devrait être le cas pour d'autres ethnies aussi. Pourquoi pas de l'Ouest, les Sora et les Armas de Dosso. C'est la même chose, en fait. Vraiment, c'est une identité culturelle qu'il faut conserver jalousement ici au Niger. Et parce que ça fait rentrer, en plus de l'action culturelle que nous voyons, ça fait rentrer également économie. Ça fait, oui, oui, ça donne de l'économie pour les trois jours. Chacun est content. Tout le monde est là, c'est un bon marché qui est là et ça nous permet de découvrir le Niger en miniature. Voilà. Arimi Abachari, la 56e édition de la cure salée est marquée par la présence du président de la République, Bazoum Mohamed. 27 ans qu'un chef d'État n'a pas participé à une telle rencontre d'envergure. Qu'est-ce que selon vous cela signifie en fait, euh, il y a deux ans, où j'y étais. Bazoum y était aussi. Il était ministre de l'Intérieur. Mhm. Et déjà, il était là-bas avec euh, une délégation du Premier ministre Brigitte Raffini. Et j'ai vu comment il s'est retrouvé, mhm. comment la population se comportait vis-à-vis de lui. Donc c'est certainement quelque chose qu'il aime. Et il y a lieu d'aimer, en fait. C'est quelque chose qu'il y a lieu d'aimer parce que euh, c'est une fête unique. Mhm. C'est une semaine pendant laquelle, euh, d'abord, euh, les habitués, parce que des gens viennent de loin. Hein, euh, l'édition où j'y étais, mhm. il y avait des Algériens qui étaient là, mhm. des Libyens qui étaient là, des Nigériens qui étaient là. Et donc, c'est vraiment une retrouvaille annuelle extraordinaire du point de vue culturel. Et je crois qu'il faut tout faire pour laisser à, la, à cette fête son aspect culturel il y a le défilé le deuxième jour, il y a la course des chameaux la veille, mhm. mais c'est, il y a la Fantasia, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une, je dirais le Niger en mhm. miniature. Mhm. C'est très symbolique, c'est très représentatif du, Niger, cette fête. Et je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et ça peut être, euh, oui, ça l'était déjà, un pôle économique important euh, pour le pays parce que euh, si tu es touriste, tu n'as pas beaucoup de moyens. C'est vraiment l'occasion d'aller en peu de temps mhm. pour voir beaucoup sur la culture au Niger. Et je crois que c'est là il faut vraiment intensifier, il faut communiquer par rapport euh, à ça pour permettre vraiment, non seulement aux Nigériens, je pense que les scolaires nigériens doivent être euh, intéressés par cette fête, n'est-ce pas Parce que c'est oui, ça se passe à Ingal, mhm. parce que c'est son fief, parce que c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu que les, euh, les éleveurs ont choisi mhm. pour euh, faire prendre leur ration en sel à leurs mhm. animaux, mais c'est vraiment une fête euh, nigérienne. Et donc, c'est important, ça fait partie des, des, des fêtes qu'il faut faire connaître aux jeunes Nigériens, et je pense qu'il y a moyen c'est-à-dire euh, améliorer, mes deux confrères en ont parlé, mhm, en amenant vraiment, en invitant des régions entières du pays, mhm. comme ça se fait au FIMA. Voilà, telle région est invitée mhm. cette année. on peut faire la même chose et faire venir les plus jeunes, parce que bon, euh, c'est eux qui ne s'y connaissent pas et l'environnement aujourd'hui ne s'y prête pas. Donc euh, vraiment insister pour que nos enfants n'est-ce pas, les plus petits sachent ce qui se passe dans leur pays. Euh, d'abord, tu as même des enfants qui ne font pas trop la différence entre <laughs> un âne et un cheval ou un chameau. <laughs> Euh, c'est l'occasion de voir ça en grand nombre n'est-ce pas, et leur harnachement, l'habillement touareg, l'habillement peul. Et c'est là où on va comprendre vraiment qu'il y a une certaine symbiose entre mhm. les populations euh, de notre pays. C'est extrêmement important. Mhm. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore vraiment un film conséquent euh, sur, sur, la cure salée. Mhm. J'en ai vu sur euh, euh, le, le, truc d'Agadez. Bianou. Bien Bianou j'ai vu sur le, sur, le, Bianou. Mhm. même si je ne suis pas particulièrement satisfait, il y en a au moins, mais sur mhm. le cure salée aussi, je pense que sur la cure salée aussi, il faut vraiment faire cet élément qui peut permettre de véhiculer et créer une communication. C'est une fête annuelle. On entend parler que pendant cette période et c'est mhm. fini. Je crois mhm. qu'il faut faire une communication permanente à l'égard du monde entier, à de la sous-région, pour que les gens s'y attendent, que ce soit un moment attendu, mhm. que les gens disent que oui, cette année, mes congés, je vais vraiment <laughs> profiter pour aller voir <laughs> la cure salée. C'est extrêmement important. je, oui, abonder dans le même sens que, Arémi, c'est-à-dire euh, il faut médiatiser ces potentialités culturelles-là qu'on a. Vous savez, euh, euh on a le, euh, la cure salée, mhm. on a le bianou, on a le festival de l'Aïr, on a le Hotungo, on a le Yenendi, on a, on a mhm. tellement de festivals qu'il faudrait faire connaître. Moi, je pense qu'il faut augmenter les moyens mhm. au niveau du ministère du Tourisme parce qu'il y a des potentialités économiques importantes dans ces manifestations-là. Mhm. Faire des expositions à l'extérieur du Niger, je ne sais pas moi, euh, en Afrique, en Europe, sur les potentialités culturelles. Faire savoir qu'au Niger, il y a des festivals, beaucoup de festivals qui sont organisés et qui peuvent faire en sorte que les touristes vont venir, que le tourisme vienne en masse. Ça peut faire, en tout cas... Euh, booster l'économie. Booster euh, l'économie. Donc, je pense que Mhm. franchement, il faut, non seulement il a raison, il faut faire des films mais on a la chance d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux, d'avoir les trucs en ligne, mhm. de faire diffuser. Mais surtout, mettre la contribution des ambassades pour que des manifestations soient organisées en Europe sur la culture mhm. nigérienne, sur les potentialités qu'on a. Et vous allez voir, les touristes vont affluer en, nombre et c'est l'économie locale qui va, eh qui qui qui va, en tout cas grandir. Nous entamons à présent la deuxième partie euh, du forum euh, de la presse avec euh, l'élimination du chef de l'État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid Al-Sarawi, tué par les forces françaises lors d'une frappe de drone le 17 août dernier dans une forêt de l'est du Mali. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron le 15 septembre 2021. Chef historique de la lutte djihadiste dans le Sahel, Adnan Abou Walid est considéré comme le cerveau de toutes les attaques qui étaient perpétrés au Mali, au Burkina Faso et au Niger dans la zone des trois frontières. Alors, euh, Gado, quelles ont été vos réactions suite à l'annonce de la mort du fondateur de l'État islamique au Grand Sahara Particulièrement, j'étais soulagée d'apprendre que le chef a été tué, toi aussi Fatih, <laughs> celui dont nous combattons depuis combien d'années et aujourd'hui qu'on arrive à le tuer, mais c'est déjà bon c'est déjà bon et euh, nous espérons que ça peut, ça va freiner mhm. en tout cas euh, l'avancée donc euh, du terrorisme au Sahel, comme tu l'as dit, mhm. sur les les zones des, trois, frontières, des trois mhm. frontières, Burkina, Niger et puis le Mali. bon, ça ne peut être qu'un ouvre de soulagement aussi. Je, je, suis sûre que je ne suis pas, en tout cas, la seule à apprécier ça. mes autres confrères vont, dire plus que <laughs> moi, je ne l'ai dit. Ça, c'est vraiment une réussite, mhm. une réussite, une prouesse en tout cas. Mais ça ne nous donne pas aussi de dire que peut-être que, bon, comme c'est la France qui a annoncé ça aussi, mhm. que la France peut, de toutes les manières, on pensait que la France pouvait faire beaucoup de choses. Mais avec ça, il ne faut pas qu'on se donne également l'envie de dire que bon, les Français vont, ils ont tué le chef, ils mhm. vont pouvoir faire d'autres choses encore. En tout cas, on attend de voir la réaction des uns et des autres. La France a fait ce qu'elle a, à faire. Mhm. Euh, le Niger, le Burkina et le Mali, euh, je pense que nous l'avons toujours dit, mhm. euh, il faut une volonté, et plus d'accompagner donc nos militaires également. Il ne faut pas mhm. qu'on euh, dise que bon, c'est fini, le chef est parti. Mais si le chef est parti, ça veut dire que ça reste aussi, les ramifications <laughs> sont là. Donc, euh, donnez-nous euh, la possibilité, donnez à notre armée la possibilité, les armées là qui sont là-bas, la possibilité de combattre les, branches, ces mhm. branches qui restent encore, parce que c'est la tête seulement qui est partie, ça reste encore. Garé Oui, la nouvelle de la mort de Abou Adel Sarawi, en tout cas, voilà quelqu'un qui a eu ce qu'il mérite quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est-à-dire quand on emprunte une certaine voie, on sait que les conséquences peuvent être dramatiques. Mhm. C'est quand même quelqu'un qui a commandité l'assassinat de beaucoup de personnes, de militaires comme des mhm. civils. Mais donc là, une frappe de drone, il est mis en morceaux, il n'a que ce qu'il mérite. Je crois que c'est la vie qu'il a choisie. Il a eu ce qu'il mérite et nous, on, peut, on ne peut qu'être content. Bien sûr, ça ne va pas mettre fin au terrorisme. C'est clair et net. Mais il y a quand même le côté psychologique, le fait que on a éliminé quand même le fondateur de l'État islamique. Quelqu'un qui avait, alors que euh, l'État islamique en Syrie et, en Irak était en train de perdre la vitesse, il a créé l'État islamique, en tout cas au Grand Sahara, et uh-huh. il a fait en sorte que ils ont mené des attaques meurtrières contre des positions militaires au Niger, au Burkina et au Mali. Uh-huh. Parce que les attaques de Chinagoder, Inates, tout ça, là, ce sont les combattants de L'attaque de Tongo Tongo, mhm. au cours de laquelle quatre militaires américains et quatre militaires nigériens sont morts, c'est aussi l'État islamique au Grand Sahara. Donc, vraiment, il a emprunté une voie et il récolte ce qu'il a sémé. Il va se retrouver avec son bon Dieu pour lui expliquer pourquoi il a tué les civils, mhm. pourquoi il a ordonné l'assassinat des civils, etc. etc. Mhm. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, les gens ont l'impression que non, c'est la première fois que l'armée française tue un chef djihadiste. Non! Quand l'armée française décide que il faut réorganiser, en tout cas, il faut la configuration actuelle de l'opération Barkhane, il faut la changer et mettre plus l'accent sur les forces spéciales. C'est parce que en matière d'opération des forces spéciales, la France est très efficace. Et je vais vous expliquer. Le fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérie, mhm. l'Algérien Abdelmalek Drukdel, il a été liquidé le 2 juin 2019 à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Et c'est les commandos français qui l'ont éliminé. 20 ans, ce gars-là a été dans le maquis. 20 ans dans le maquis algérien. Et il a fallu qu'il fasse le déplacement pour venir euh, au, Mali. Au retour, les, Français ont eu l'information, ils l'ont liquidé. Les Français ont liquidé notre chef djihadiste, Jamel Okacha. Mhm. Ils ont liquidé un djihadiste marocain qui s'appelle Ali Maïchou. Ils ont liquidé d'autres chefs djihadistes. Ils sont efficaces mhm. dans le domaine de la traque des djihadistes Donc, je pense que l'assassinat d'Abou Adel Sarou est un grand coup qui a été porté à l'État islamique. Maintenant, ça ne va pas mettre fin au terrorisme. Mhm. On espère que d'autres chefs djihadistes qui sont dans la sous-région, notamment Yadagali, Amadou Koufa, nous, nous espérons qu'ils vont être liquidés. Il faut être clair et net. Nous espérons que ces gens-là aussi seront ils sont dans la ligne de mire, je sais, mais ils vont finir par être liquidés par les forces spéciales en relation avec les, forces, bien sûr, du Sahel. Zarmia Bachari. Merci. On a déjà fait un débat pareil il y a deux mois, n'est-ce pas Quelques chefs djihadistes euh, ont été liquidés, <laughs> comme le dit euh, Garé. Mhm. Euh, mais à l'époque, déjà, je disais que ce n'est pas suffisant pour mettre fin à nos difficultés, vraiment à la situation d'insécurité que nous sommes en train de vivre, parce que c'est un diable à plusieurs têtes. Ben Laden a été tué, ça n'a pas mis fin en réalité à Al-Qaïda, mhm. n'est-ce pas Le chef de l'État islamique en Irak a été tué, ça n'a pas mis fin à l'État islamique euh, au niveau central. Mm a été tué, ça n'a pas parce qu'ils sont aussi maintenant une euh, euh, je ne sais pas comment, comment ils appellent, mais en tout cas, ils relèvent de l'État islamique, mhm. euh, est eux aussi là-bas. Ici aussi, ça ne va malheureusement pas mettre fin à ces activités. Mhm. Mais je constate tout simplement que la mort des chefs est d'abord symbolique, mais aussi euh, ça désarçonne un peu le mouvement avant qu'il ne reprenne forme. Mhm. Et donc c'est pendant ce moment-là qu'il faut profiter pour accentuer vraiment et, les attaques, n'est-ce pas, ou bien la défense, mhm. et mettre vraiment en déroute ce qui en reste. Je ne sais pas si c'est le raisonnement de nos, de nos armées. Les Français, euh, selon ce qu'ils nous disent, en tout cas, ils sont parvenus à poser des actes euh, symboliques euh, indélébiles qui mhm. vont certainement peser et il faut aussi malheureusement s'attendre à une réaction de leur euh, part. Ils vont essayer mhm. à rendre la monnaie de la pièce. Mhm. Et c'est à ça qu'il faut s'attendre. Mhm. Sinon, écoute, euh, que ce soit un simple combattant ou un chef, bon, c'est un djihadiste de moins que ça fait dans la lutte qui oppose nos armées malheureusement à, ces, euh, à l'État islamique. J'espère vraiment tout simplement que ça sera pérenne, que ça va se poursuivre, que ce n'est pas juste un acte euh, isolé, mhm. mais que ça relève d'un ensemble vraiment qui euh, compte vraiment libérer euh, le Sahel vraiment de ce que nous sommes en train de vivre. Mhm. Notre population souffre gravement. Il faut vraiment nécessairement la soulager. C'est de mhm. cela qu'il s'agit. Est-ce que la mort de Al-Sahraoui va soulager la population en tout cas, sinon, il faut œuvrer à ce qu'il en soit ainsi, notamment parce que apparemment, on sait. C'est étonnant quand on te dit qu'il a suffi que le monsieur quitte Kidal et il a été euh, liquidé. Ça veut dire que tout mouvement, n'est-ce pas, dans ce grand désert mhm. est vu et connu des forces françaises. Mhm. Mais pourquoi ce n'est pas la même chose jusqu'à ce qu'on vienne attaquer des villages, on vienne mhm. attaquer avec des centaines de motos, des camps, faire 100 militaires morts, 100 citoyens ordinaires, civils tués. Mais écoutez, il y a quand même quelque chose que nous, qui ne sommes pas des militaires, ne comprenons pas tellement. quoi. Mhm. C'est ça mon inquiétude, en, fait. Parce que bon, c'est un dossier que j'ai un peu suivi. Et, euh, voilà comment les opérations se sont passées. Mhm. En fait, vous savez, les, les, les, troupes occidentales, euh, les puissances occidentales, leur force, c'est quoi ce mhm. C'est qu'ils ont des réseaux de renseignement qui sont très puissants. C'est-à-dire que quand ils ont tué les deux lieutenants de Abou al-Sahraoui, dans la forêt de Dangarous, là, ils ont pris des documents et des téléphones. Et sur les téléphones-là, ils ont eu des numéros. Maintenant, le jour où il a quitté Menaka, il n'était pas sûr que c'est lui. Parce que c'est deux personnes qui sont sorties de Menaka à moto, qui se dirigeaient vers la mhm. forêt de Rangarous. Et quand les forces de, renseignement, quand les renseignements américains, euh, euh, français. ont eu l'information que mhm. deux personnes ont quitté à moto, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Mhm. Et je crois que les plus hautes autorités françaises ont dit non, et il faut frapper et vérifier après. Quand ils ont frappé là, ils ne savaient pas que c'était lui. Parce que lui, effectivement, il peut plus se déplacer dans un véhicule parce qu'il se dit que les véhicules, mhm. c'est facilement détectable. Et quand ils vont voir deux personnes à moto, ils vont pas croire que c'est le chef de l'État islamique. Et pourtant, ces deux personnes à moto là, l'un c'était le chef de l'État islamique. Et quand ils ont frappé là, ils ont mhm. envoyé des commandos avec les forces nigériennes, les forces maliennes et les forces dans la même forêt pour faire du ratissage. C'est là qu'ils ont compris et ils ont recoupé. Ils ont dit qu'ils ont recoupé avec les appels téléphoniques des combattants. Mhm qu'ils interceptaient, et surtout un chef Touareg qui avait annoncé la mort d'Abou Ali al-Sahraoui quelques semaines avant. Parce que moi, j'ai eu la chance, oui, quelques semaines avant, il avait annoncé que Abou al-Sahraoui est mort. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, enfin, lors d'un point de presse avec le ministre algérien de la, des Affaires étrangères, j'ai mhm. posé la question, j'ai dit, mais monsieur le ministre, nous avons appris à travers des canaux algériens, des journaux algériens, que le chef d'État islamique a été tué. Pouvez-vous nous confirmer Le jour-là, il n'a pas confirmé. Mais moi, quand Macron l'a dit, ça confirmait les informations qui suivaient depuis plusieurs semaines, le 22. Donc, vous voyez, je pense que le terrorisme n'a pas fini, parce que les attaques, elles se déroulent un peu partout au mhm. Sahel. Mhm. Mais le côté psychologique est important, comme l'a dit Arimi, mais mhm. il, faut, il faut profiter de ce moment de, de, de, où, la hiérarchie est un peu déstabilisée, oui, pour, pour, mener des attaques, parce qu'ils vont se venger ils vont attaquer <laughs> un hôtel. Non, non, ils vont attaquer un mhm. hôtel. Ils vont attaquer un lieu fréquenté par les Occidentaux pour mhm. venger à et les Je ne dis pas au Niger, ça peut être au Niger, au Burkina ou au Mali. Mais mhm. ils vont le faire. Ils, vont, ils sont en train de s'organiser. Ils vont se venger. Ils vont faire savoir que c'est eux qui ont fait ça et que voilà pourquoi ils ont fait ça. C'est pourquoi j'ai dit il faut multiplier les mesures de, contrôle, les mesures de surveillance surtout maintenant à Niamey où on voit des vitres fumées. Euh, euh, euh, bah. oui, en pagaille demi que les gens ne mm-hmm. fouillent pas, que les policiers n'arrêtent pas, mm-hmm. n'est-ce pas Mais nous, les particuliers, dès qu'on a des véhicules fumés, nous, on nous arrête. Il faut contrôler tous les véhicules. Tous les véhicules, contrôler les, véhicules de vitres fumées. Quand vous voyez des gens bizarres, parce qu'on voit ces, derniers temps des gens bizarres qui <laughs> donnent des 4 4 on ne sait pas d'où ils viennent, mais vraiment leur tête ne vous revient pas. Et puis voilà, ils circulent comme. Non, non, il faut contrôler, il faut faire attention. L'ennemi, les cellules dormantes mhm. sont là partout. il y a des cellules dormantes des terroristes au Mali, au Niger, au Burkina. Elles sont là, elles attendent seulement le signal. Mhm. Donc faisons attention, surveillons nos hôtels, surveillons les lieux fréquentés par les Occidentaux mhm. afin de parer à toute attaque des groupes terroristes par souci de vengeance. Mais L'élimination de Al-Sarawi par les forces françaises est bien applaudie par donc la région du Sahel. Qu'est-ce que vous attendez encore de plus hein, de la France <laughs> Mais ce que nous attendons de plus, les Garés et armées ont déjà dit ça, c'est qu'il y ait une possibilité de neutraliser d'autres d'autres combattants, d'autres ennemis, comme euh, il l'a été lui aussi. Donc, euh, les ramifications qui restent là, c'est de mhm. les neutraliser. C'est ça, en fait, le souhait de la population. Qu'il y ait plus d'actes positifs que d'actes négatifs. Mhm. Donc, si aujourd'hui, comme l'a dit Armi, les militaires français peuvent contrôler la zone, et pourquoi ne pas agir quand des individus, des bandits armés descendent dans un village avec, à moto, des centaines de, motos pour pouvoir tuer. Oui, oui, des centaines de, motos qui tuent les populations et qui repartent tranquillement sans être inquiétés. Donc, <laughs> comme il l'a dit, il faut mhm. nous aider à comprendre cette situation. Parce qu'on veut plus d'actes mais on veut aussi des actes positifs. n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez tué un djihadiste, le patron, de, euh, le patron donc. Euh, celui de l'État islamique, mhm. que ça vous donne aujourd'hui euh, que nous, les populations euh, qui sont meurtries, les populations, les populations qui sont meurtries, euh, sortent pour applaudir. Non, ça mhm. veut dire que de tout le temps, ça veut dire de tout le temps, vous pouvez agir, la France pouvait agir autrement pour nous épargner tout ce que nous avons subi, mhm. tout ce que les populations ont subi de la frontière du Mali jusqu'au Burkina Faso. Donc je me dis que ça reste à faire. Beaucoup reste à faire et c'est de vraiment sécuriser, d'amener, euh, euh, de faire en sorte de sécuriser ces zones-là, mhm. d'amener leur contribution en essayant de voir ceux qui agissent, qui viennent à moto et qui repartent, de les neutraliser également de la même manière dont ils ont neutralisé le chef. Mhm. C'est ça, en fait, l'attente des populations. Mhm. Mais sauf que là, a un problème sur oui. euh, là on, vient d'aggraver un peu le problème parce que la circulation des motos qu'on a autorisées ce sera difficile de faire la différence. Mais imaginez un paysan qui est dans son champ, qui entend des motos qui arrivent. Il se pose la question, attendez, ceux qui arrivent là, ce sont les habitants du village ou bien ce sont des terroristes Est-ce qu'il a le temps de réfléchir Les militaires qui rencontrent des gens à moto, ah, mm-hmm. quand est-ce qu'ils vont faire la différence il faut qu'ils attendent pour faire, pour savoir, eh, parce qu'on dit il faut contrôler, le, terroriste il va contrôler ses papiers alors qu'il a une bombe. C'est compliqué maintenant. Je, sais, je, sais que je, vais, finir, je, finir. Mm-hmm. Et le problème, en fait, des frappes aériennes. Vous savez, la France a fait face déjà à un problème de ce genre au Mali. Il y a eu une frappe contre des terroristes et on a dit que c'est des, civils. populations alors qu'il y avait des gens armés. Mhm. Et l'armée a aussi a fait ça. Mhm. Et les États-Unis, en, eh, Afghanistan, il n'y a même pas longtemps, ils ont reconnu avoir tué par erreur des civils. C'est ça le problème. Ce que, vu du ciel, mhm. C'est très difficile. Quand tu vois des regroupements de gens à moto, il se fait qu'ils sont en train de célébrer un mariage. Quand est-ce que tu tires Quand est-ce que tu ne tires pas Je pense que, Gary, il y a des zones comme Bani, ou quoi là, mhm. qui n'ont pas, jusqu'à présent, ils, n'ont pas la possibilité. Euh, de circuler à moto. C'est les, populations même qui refusent. C'est ce que je suis en train de mhm. dire. parce qu'elles savent donc, ce que ça veut dire. Donc ces populations, ce sont des zones mhm. où aujourd'hui l'armée française peut agir de loin, parce que c'est une zone à risque quand même. Donc, et puis, euh, le Niger, l'État nigérien n'a donné qu'un mois. Un mois pour pouvoir évaluer, mhm. pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas, marché, mhm. comment est-ce qu'il faut faire. Mhm. Donc, je pense qu'après les un mois, c'est à l'État nigérien et les populations d'évaluer, de voir la situation. Peut-être ça permettra, si oui, ça a été positif, de continuer dans ce sens. Si ça a été négatif, de revenir pour regarder et permettre donc à l'armée française mhm. qui a toutes ces drones et autres là pour pouvoir détecter un mouvement, quelconque, mouvement mhm. dans le désert, dans le Sahara <laughs> pour pouvoir neutraliser certaines choses. Mais en tout cas, en tout cas, ça va compliquer le travail de nos forces terrestres. Mhm. Je parle de nos armées. Non, l'armée, ça va compliquer. Ça va compliquer, parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est différent. Hein. c'est différent parce que quand euh, pour attaquer une atteste, ils viennent à trois sur chaque moto et que ces motos sont munies des armes vraiment uh-huh. lourdes. C'est différent d'un paysan ou de deux, ou tout au plus trois qui vont à un mariage, ce n'est vraiment pas la même chose. Non, mais Arimi, tu sais le problème. Ah, ces gens-là, ils ne sont pas bêtes. Ils vont s'adapter au nouveau contexte. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, là, maintenant, là, qu'ils savent que la population est autorisée à circuler là ah non, ils ne vont plus circuler avec ah. les trucs en bandoulière et puis les armes visibles. Non Ils vont s'adapter. C'est là où c'est dangereux. <laughs> Arimi. <laughs> Mais bien sûr, ils vont s'adapter. <laughs> Ah, ça sera difficile alors. en tout cas, ça sera, ça, c'est sûr que ça sera compliqué en fait. Hein. C'est compliqué à fois jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont vendu leur moto. Mhm. chez lui qui peut acheter une voiture ou le tricycle. et c'est avec ça qu'ils se débrouillent. Quoi. Mhm. Bon. On va attendre les un mois pour voir ce que ça va donner. Déjà, il y a des attaques. Parce que, <laughs> déjà, vers au niveau de, Tamou, il y a eu une attaque. Il n'y a, pas longtemps, je crois qu'il y a quelque jours. Oui, il y a, eu, un poste avancé a été attaqué. Euh, mais vous voyez, donc, <laughs> mais vraiment, j'espère bien. Mhm. J'espère bien que, malgré tout, parce que ce que je crains, c'est qu'il y ait des bavures au niveau de nos militaires. Parce que je vous dis, les, terroristes ont essayé de s'adapter à la situation mhm. et ça va compliquer le travail de nos militaires sur le terrain, dans la brousse. Surtout au niveau des marchés. Quand ils entendent des bruits de moto, comment il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils vérifient, il faut qu'ils contrôlent. Le temps de contrôler, tu es déjà mort. Donc vraiment, euh, bonne chance à nos militaires et j'espère que <laughs> cette mesure-là n'a pas été prise pour rien. Mhm, voilà, la troisième et dernière partie du forum est consacrée aux problèmes euh, du secteur euh, de transport urbain de la capitale, notamment les vols et agressions de les taxis. Le problème a suscité une rencontre samedi dernier entre les responsables des syndicats de transport urbain et le maire central de la ville de Niamey. À la fin, il a donc été décidé de la création d'un comité composé euh, des représentants des autorités municipales et des syndicats des transports euh, urbains pour euh, trouver des solutions. Alors, Armi, qu'est-ce qui explique ces agressions donc, dans les transports urbains mais écoutez, c'est des choses euh, que nous entendions ailleurs mhm. et qui commencent à venir. Nos villes euh, grandissent et les gens qui sont prêts à tout pour euh, s'enrichir, pour dépouiller l'autre de son bien. il se pourrait même que c'est des Nigériens comme toi et moi mhm. qui, qui se donnent à cet exercice-là. maintenant, il faut être vigilant. Il faut être vigilant, avoir des mécanismes de signalisation. Il ne faut même pas laisser que l'acte soit posé avant que euh, d'intervenir, parce que c'est lui qui est dans le euh, dans le taxi et qui est en train d'être agressé, s'il a la possibilité vraiment d'alerter à temps, au bon moment, c'est ça. Ou alors, s'il a la possibilité au moins d'identifier, de savoir qui lui a fait, euh, qui lui a posé l'acte, c'est ça qu'il faut. Et ça, ce n'est pas si simple que ça. Parce que mhm. euh, j'imagine que c'est des voitures qui n'ont pas d'immatriculation, des gens qui sont certainement. Oui, c'est certainement. Ils peuvent ne pas l'avoir. Ils peuvent ne pas avoir de, numéro de portière. Et malheureusement, en prenant un taxi, ce n'est pas mhm. tout le monde qui peut chercher à savoir déjà c'est quel numéro mhm. ce taxi-là. Et ça peut être des faux numéros, des numéros doubles aussi. Donc c'est vraiment la tâche qui incombe euh, aussi malheureusement à la police euh, routière, mhm. n'est-ce pas, qui, comme le dit euh, Garé, n'est-ce pas, nous contrôle à tout point de vue vraiment de, rue, tout coin de rue. Donc ils doivent aussi accentuer cet aspect-là et les taxis même doivent collaborer eux mhm. aussi. parce que c'est bizarre vraiment que des personnes n'est-ce pas, s'organisent, roulent à taxi, prennent des personnes vulnérables, n'est-ce pas, pour les agresser de cette manière. Ça fait extrêmement peur en réalité. Et aujourd'hui, quand tu vas mettre ton enfant dans un taxi pour aller à l'école, tu te poses des questions, n'est-ce pas euh, Il y a des taximans, tu rentres dans leur taxi, ils voient que c'est un gaillard à qui ils ne peuvent rien faire. Ils te demandent de sortir. Est-ce que c'est eux Donc c'est vraiment plein plein de, mm-hmm. choses. Il faut s'en méfier et être très vigilant. Mm-hmm. C'est malheureusement ce que nous entendions. On entendait dans beaucoup de grandes villes. On nous parlait de, Lagos, de Abidjan, de mm-hmm. ceci, de cela, de Cano. Aujourd'hui, c'est arrivé, à Niamey et il faut être extrêmement euh, vigilant et peut-être vraiment donner les moyens qui permettent aux gens de réagir promptement. Parce que euh, si tu rencontres quelqu'un qui crie dans un taxi ou un taxi qui ne veut pas s'arrêter alors que toi tu veux prendre tout ça, il faut peut-être te permettre déjà de prendre le numéro et de signaler. Un autre problème qui se pose, c'est que c'est comme avec les pompiers. Mhm. On les alerte aujourd'hui, ils, résistent à réagir <laughs> parce qu'il y en a qui s'amusent avec ça. En Europe, tu appelles cinq minutes après, mhm. si les pompiers ne viennent pas et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, ils sont sanctionnés. Et chez nous, parce qu'ils sont blagués tout le temps, des vraiment esprits, je ne sais comment <laughs> dire, qui se permettent d'appeler quelque chose aussi, une structure aussi importante que les pompiers, n'est-ce pas, pour leur donner un, une fausse alerte. C'est des choses à éviter. Mhm. Il faut qu'on inculque à nos enfants que ça y va de la sécurité de tout un chacun. Ce qui arrive à quelqu'un aujourd'hui, que tu entends ailleurs, peut arriver à toi directement. Peut-être que c'est toi la prochaine victime. Donc il faut que tout le monde s'y mette, qu'on sache que nous avons intérêt à lutter contre vraiment euh, l'insécurité comme un seul homme. Même Diado, Face donc à ce problème, un comité euh, sera mis en place par les autorités en vue euh, de réfléchir euh, sur la question. Quelles sont donc <laughs> vos attentes vis-à-vis du, comité nos attentes vis-à-vis du comité, c'est que la population attend que le comité travaille dans le sens de repérer d'abord ces fauteurs de, troubles, ces voleurs, parce que mm-hmm. moi je les appelle des voleurs, qui circulent dans des véhicules et qui se prennent soi-disant comme des taximènes. Donc, il faut d'abord faire un toilettage au niveau même de ces taximènes, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout le monde peut être taximène. Mhm. Tu te lèves un bon matin, tu as ta voiture, ça, il suffit tout simplement de changer la peinture ou quelque chose comme ça, et puis bon, tu te dis, tu es taximène, tu vas au niveau de la mairie, il n'y a pas de choses sérieuses qui se passent là-bas, parce que j'ai une fois écouté ou interviewé même 5 taxis Taxi Gamache, mhm. qui, ça faisait longtemps que Gamache était en train de décrire cette situation mhm. où il, la mairie même ne maîtrise pas le nombre de taxis aujourd'hui qui est au sein, donc euh, le nombre de taxis qui est au sein donc, de la ville de Niamey. Mhm. Donc si tu n'arrives pas, toi en tant qu'autorité, tu n'arrives pas à connaître le nombre de taxis qui circulent dans Niamey, ça veut dire que c'est très dangereux. Et deuxièmement, il avait interpellé les autorités municipales par rapport justement à la manière mhm. dont on attribue les permis, euh, de, taxi. Il l'a dit. Parce que les permis de taxi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin, d'autres n'ont même pas besoin d'être présents mhm. pour avoir le permis de taxi. Tu peux être à la maison tranquillement, on te donne le permis de taxi. Aujourd'hui, il y a une façon de, une corruption mhm. qui est née autour de cette situation. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, qui prennent de l'argent et qui vous donnent une autorisation sans grande difficulté. Aujourd'hui également, il faut, de la même manière où dans les concours, on demande un casier judiciaire, on demande également de fournir certaines pièces, on fait euh, ce qu'on appelle euh, mm. l'enquête de moralité. Mm, mm, il faut faire l'enquête de moralité également. Parce que <laughs> c'est pas parce que toi tu penses que ce monsieur peut être bon que au fond de lui c'est quelqu'un qui est bon. Et on a comme l'impression que ces taxis-là opèrent vers euh, dans les mhm. zones périphériques, mhm. c'est là-bas que ces taximans opèrent. Parce que moi, j'ai eu à parler avec deux, victimes, mhm. en tout cas, euh, qui ont été victimes dans ces taxis-là. Et, vous, vous, rentrez dans le taxi, ils font semblant de, de, crier ou quoi là. Euh, vous avez fermé la portière, voilà. On te soutire ce que tu as dans le sac. Et tout de suite, le taximan te dit Non, non, il faut descendre. Moi, je ne vais même pas de ce côté-là. Euh, est-ce que vous voyez le toi, toi, tu descends. Tu descends parce que lui, il t'a dit il faut descendre. C'est mon taxi, il faut descendre. Voilà, mm-hmm. donc l'opération était mm-hmm. déjà. Mm-hmm. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a C'est la sensibilisation, aussi. Il faut qu'il y ait une sensibilisation de la population mhm. autour de cette question. La sensibilisation, c'est très importante. Donc, ça veut dire que le comité doit également partir vers les médias pour arriver à faire un travail exceptionnel. Parce que sans les médias, mhm. sans l'implication des médias, tous azimuts, ça serait très difficile pour le comité. Aujourd'hui, la population a besoin de connaître avec qui et qui cette population rentre dans le taxi. Parce que quand tu vois, comme je l'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux, je vois Gamichi qui est en train de faire une sensibilisation par rapport à ça. Tu rentres dans un taxi où il y a quatre gaillards, il y a déjà trois <laughs> gaillards. Toi, tu es une seule femme parmi les trois gaillards. Là. Mais est-ce que, est que tu es tranquille Ça veut dire que tu n'es pas tranquille parce que les deux qui sont, les trois, les deux qui sont derrière, on te laisse une place devant. Toi qui es devant, Fatih, tu es vulnérable. Mm-hmm. Est-ce que les deux qui sont derrière ou les trois qui sont derrière, est-ce qu'ils ne peuvent pas te faire quelque chose Mais ils peuvent te faire quelque chose. Mm-hmm. Et le problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes, les femmes, parce que c'est les femmes qui sont trop <laughs> victimes, attaquées. Parce que quand tu rentres dans le taxi, tu ne fais pas attention. Tu rentres dans un taxi, tu sors ton portable, tu communiques, et ensuite, ou bien, tu, oui, oui, surtout WhatsApp, et ensuite, il y a une conversation qui naît dans le taxi, où il y a certaines clientes qui racontent beaucoup de choses dans les taxis. Et ils opèrent aussi à côté des banques, des banques à côté, oui, oui, des <laughs> banques, les femmes qui sont là-bas avec Donc, ce qui est sûr, oui, ce, que, la population attend, c'est mhm. vraiment mhm. de prendre des mesures, des vraies mesures, des mesures sévères à l'encontre donc de ces gens-là. D'abord, il faut faire le toilettage de tout ce nombre de taxis-là qui circulent toilettage. Mhm. Il faut également revenir sur l'enquête de moralité, savoir qui est qui, mhm. avant de donner le permis de taxi. Et ensuite, mettre la sensibilisation, à, euh, la sensibilisation et l'implication des médias. On va écouter ces garés qui n'a pas En fait, c'est pour dire que ceux-là, en fait, ils n'ont pas besoin de papier, de permis de taxi et mhm. tout. Ils opèrent justement en tant que faux taximan ce n'est même pas ceux à qui on a donné parfois ces, autorisations-là. Non, ils prennent quelque chose qui ressemble à un taxi et ils opèrent. Je crois que euh, même si nous sommes pauvres, mhm. euh, ce qui se passe ailleurs où tu es seul dans ton taxi, ou alors si je prends le taxi à 1000 francs, je, tous ceux qui sont avec moi peuvent rentrer et jusqu'à destination, c'est des choses qu'il faut commencer euh, à expérimenter aussi. Par exemple, de, de Wadata, je viens à Kalangou, j'ai dit, bon, euh, taximan, 1000 francs ou 1500. Généralement, à Bamako, par exemple, c'est 1500. Mhm. Ils te prennent. Si l'autre n'est pas ton ami, on ne le prend pas. Jusqu'à destination, tu es seul dans ton taxi. C'est des choses qui contribuent. Euh, bon, malheureusement, les taximens euh, aussi, non, surtout le prix sera très élevé quand tu demandes une telle euh, prestation. Nous allons peut-être qu'un jour, on va réduire le carburant. Nous sommes presque à la fin. Monsieur Garé, on le, met Garé nous sommes presque à la fin. Quelles mesures la ville de Niamey doit-elle prendre pour mettre fin à cette forme de sécurité moi vous savez, ce, qu'on dit là, en réalité, c'est pas parfois des gens qui ont des fausses plaques. Parfois, c'est des taxis en bonne et due forme. Des vrais taxis, hein, dans lesquels on agresse les gens avec la complicité du, taximan. C'est-à-dire, on entend en train de dire, ah oui, oui, mm. oui parfois c'est des Non, c'est faux. Parfois, c'est des vrais taximans qui, mettent des gens pour agresser, après ils partagent l'argent. Ce qu'il faut, mm-hmm. il faut que l'impérieuse nécessité pour l'État d'avoir un fichier national des taximans. Hmm. Non, apparemment, il n'y en a pas, parce qu'on dit qu'on n'arrive pas à maîtriser. Vous savez, il faut avoir un fichier national des taximans. Et à partir de ce fichier national-là, faire une application qui peut être partagée à partir de laquelle on peut savoir qui est taximan, qui n'est pas taximan. Et là, dès que vous voyez un taxi, vous allez rentrer, dès que vous ouvrez l'application, vous allez savoir si ce taximan-là est déjà recensé ou pas. Avoir un fichier. Comme ça, quand tu es agressé dans un taxi, mhm tu peux partir, tu te, tu te rappelles du taximan. Tu vas voir la photo, tu vas dire, ah, il y a le fichier qui est là, on déroule. Il dit, ah oui, c'est lui. C'est très facile. voilà, nous sommes. un dernier truc, hein. j'ai entendu à, Abidjan la fois dernière. Qu'ils sont à hauteur de combien de milliards de francs CFA Ils sont en train de mettre les vidéos euh, sur la route. Mhm. OK mhm. Et je crois que ça, ça peut contribuer. Non, même les vols à main armée simples où les enfants qui te mhm. prennent le sac et autres là, ça peut non seulement diminuer, mais aussi ça peut contribuer Parce que à partir là, où tu, là où tu as pris le taxi, tu vas avoir une caméra, elle filme, tu dis j'ai pris le taxi à tel endroit et puis on voit la caméra qui est braquée là-bas, on voit. Nous sommes à la fin du forum de la presse de ce vendredi. Nous étions en compagnie de Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Maimouna Diado, journaliste indépendante, et Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. La présentation a été assurée par Fatih Zakari. La réalisation Issa Lawali et la technique Mustafa Ayouba. Rendez-vous samedi à 17h sur nos radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec Actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et le dimanche le forum en Germain. Merci, le programme continue sur le studio Kalongo.